Ladies and gentlemen, nous sommes à la galerie Tawaido. Tawaido où nous allons dans un instant permettre à un artiste slammer de s'exprimer sur cette émission. L'artiste s'exprime sur 52 radios euh, partenaire du studio Kalangu. L'artiste s'exprime sur l'émission tout à la Fada. On va donc euh, découvrir l'artiste dans toutes ses formes et dans ses dimensions. 5 minutes pour le cerner, le premier angle. Je suis à la galerie Tawaido. Go, eh on tu vas Tranquille. J'ai dit Ça va bien. Il est là, l'artiste bah, Il est là. La galerie, c'est pour ta merveille. Ouais, carrément. On peut aller Ouais, tu sais, depuis hier qu'il a réveillé les ancêtres là, ouais, il médite, man. Okay, vas-y, vas-y, vas-y. Eh, hey, eh, donne-moi la caméra, On à moi. Vous m'occupez de la question. Eh l'artiste, Jonel, ouais. donne-lui te souhaite la bienvenue, tu vas bien Yeah, Dondi. <laughs> ouais. Écoute, on est là. Gel jo jalla pata pulle segu bambara konare ya wala wadata kan fo sinay kal hawi qui n'a rien ne peut rien un pauvre ne peut rien rien que la honte cimi manti irkoy kulgana galbarkada les enfants arrivent à la vie par la grâce de Dieu Dieu cependant ne les aime pas de la même manière ce molo -hmm. Cette musique yeah. que vous entendez est celle de Jalla Hamboude de Jalla Pat pour le Segou. Bambar Kunari. Ah voilà, Watata. Quand Sinda il faut. Ah Sinda il faut. Kalhawi. Wallahi Nenen Jalla Hamboude de Jalla Pat. Jalla Hamboude Jalla Pato. la machine de cette la bienvenue. Jonel, ça va J'espère que tu vas bien. Ça va très très bien. Ça va très bien, on a eu une soirée excellente et euh, on est bien heureux. Et euh, on profite de cet instant-là pour savourer tout ce qu'on a partagé hier avec les uns et les autres. Et j'ai aussi appris que tu as réveillé le démon hier ah à la galerie Tawaido. Ah Alors dans un premier angle, d'abord on va parler du guerrier. Parce qu'il est mollo. Oh asihe molo sihe kala noko beriselo wangari wangari me, wol koyi wol koyi ome ton kunu o wangari no be fosen oh. parce que islam o ir niger islam o oh. tu fais partie des premiers qui l'ont imposé donc pour cette raison mola wa imam karse oh. mola o kirgo karon kunu wonno jonel donc on va permettre à la jeunesse nigérienne de cerner jonel l'artiste en 5 minutes faman ifo faut kati Jonel jina hal donc Jonel euh, c'est un nom, l'oncle et le neveu, parce que mon oncle s'appelle John. Et euh, il disait à ses amis que lui, c'est mes ailes. Et ses amis donc m'ont surnommé les ailes de John. Elle, John, elle, John et Jonel plus tard. Ah. Sinon, à l'état civil, c'est Hamani Himukasum. Voilà. Super. Jonel tu as commencé ou tu as commencé à croire au slam en quelle année Waouh Alors, depuis, je pense, c'est, je ne peux pas situer l'année exactement, mais c'est après. de tes débuts. Quand est-ce que tu as commencé à croire À croire même, je pense. C'est ce que j'ai dit. Je ne pourrais pas situer, mais je peux surtout situer un événement qui était filmant, qui s'est passé euh, à la Pulune. C'était là que ça commençait vraiment pour moi. Parce que quand j'ai dit un premier texte, puis un deuxième, les gens ont voulu assez que je continue dans ce sens-là. Et donc plus tard, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Et mieux encore, c'est que euh, ça peut bien marcher au Niger parce qu'on est euh, d'une tradition orale où la parole a une place importante dans la société euh, nigérienne. Donc du coup le slam ne peut que marcher, ne peut que plaire, ne peut que intéresser les Nigériens. À partir de ce moment-là, je me suis lancé vraiment à 100% et du coup, j'ai commencé hum, à, dire des textes beaucoup plus dans la langue, euh, beaucoup plus en jarman et tout ça, et euh, pour donner une autre dimension au slam et avec beaucoup plus de euh, de rire et tout ça pour permettre aux gens euh, de s'intéresser beaucoup. Même si euh, au départ, ce n'était pas vraiment le but pour moi. parce que quand tu prends par exemple le premier qui était cours commune, et dans cours commune, il y avait énormément de choses, euh, même si le message reste quand même euh, solide, il y avait beaucoup plus de rire dedans. Et quand tu prends euh, Andunia Dingemissa qui est venu après, il y a un peu beaucoup plus de rire, même si le contenu reste quand même solide. Donc voilà, mais pour moi, je me disais, oui, il fallait passer par ça pour intéresser les gens. On va parler de ça dans un deuxième angle, parce que le premier angle, mhm. Ladies and Gentlemen, écoutez bien, c'est permettre au Niger et au monde entier de découvrir Jonel, de savoir qui est véritablement l'artiste. On a eu un peu tes débuts sur cette émission. Le slam n'a pas du tout été facile pour toi, certes. Tu as rencontré des difficultés parce que c'est un genre musical peu connu au Niger. Alors aujourd'hui, nous voudrons euh, soulever aussi ces difficultés que l'artiste a rencontrées pendant sa carrière jusqu'aujourd'hui. Déjà, les difficultés de A à Z, c'est ce que je voudrais faire ressortir sur l'émission à travers la voix de l'artiste Jonel. Ah, okay. Parlons Slam au Niger. Slam, Alors, il faut savoir que euh, le début, c'était assez difficile parce que les gens ne comprenaient pas déjà. Et euh, je faisais beaucoup plus de scènes aussi en public, en plein air, des trucs comme ça. Et donc, les gens, ils voyaient un peu euh, cette folie, mais euh, c'est quoi ça Qu'est-ce qu'ils raconte et tout euh, C'est de la folie et tout. Et les gens ne croyaient pas du tout. Mais après, petit à petit, les gens commençaient à s'intéresser. Quand les gens y passent, par exemple, même devant le collège et lycée Mariamont et tout ça. Donc, il y a eu énormément des endroits comme ça où je m'arrêtais et je déclamais des textes. Les gens commençaient petit à petit à s'intéresser, à s'arrêter et écouter le message. Et peu à peu, ça commençait à apprendre de l'ampleur, les gens se disent Ah ouais, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est intéressant, c'est intéressant, et c'est parti comme ça. Mais, tes inspirations, où est-ce que toi, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser au slam parce qu'aujourd'hui, tu as influencé beaucoup de jeunes. Et les jeunes sur la scène, ils le disent. Notre père, notre tuteur, on l'a vu faire. Ils te reconnaissent déjà cet effort, l'effort que tu as fourni d'inciter d'autres jeunes à s'intéresser au slam. Ça veut dire que ce genre ce qui m'a amené vraiment, vraiment à croire d'abord, avant de parler de l'islam, à croire déjà à la parole, il faut savoir que euh, c'est l'entourage aussi. Parce que euh, au départ, il faut savoir aussi que euh, je fais partie de ce qu'on appelle les taboussisés. les Qu'est-ce qui est Les taboussisés, c'est les enfants nés à l'étranger. Même si je ne suis pas né vraiment à l'étranger, mais j'ai grandi parce que mes parents sont des commerçants nomades. Ben, euh, ils ont fait plusieurs pays. Après, euh, ils sont installés à Côte d'Ivoire et tout. Donc d'abord, là, nous, on avait euh, cette coupure avec la langue, qui est d'abord la langue germane, quand on, essaye de parler la langue, les gens disent, mais alors, ils parlent pas bien cette langue. Ils parlent pas bien Et du coup, ça, cela m'a poussé vraiment à m'intéresser beaucoup plus à la langue germane et à faire des recherches autour de cette langue-là. Donc ça c'est la première des choses. Puis ma deuxième, la deuxième chose qui m'a intéressé encore plus à cette langue, c'est la présence de plusieurs griots autour donc, de ma famille. Et euh, bah, comme vous savez, au Niger, il y, a des, il y a des classes qui ont beaucoup plus de griots qui passent chez eux. Donc, euh, je ne sais pas comment on peut dire cela, mais je fais partie de ces classe-là où les griots passent vraiment beaucoup plus chez nous. et chantent les louanges de nos parents pour avoir quelque chose. Donc la présence de ces griots et leur manière de parler aussi font partie des choses qui m'ont énormément bercé. Et quand je revenais aussi, quand j'étais euh, au Mariaman, quand je partais pour mes vacances à, Liboré, qui est à 15 km, ou, le moment où j'étais en Côte d'Ivoire aussi, quand je venais, dans cet environnement, Libori, il faut le situer aussi, c'était euh, l'environnement où il y a énormément de griots, au fait. Et euh, tous les Djeliba, les Djadosekou et tout ça, ils sont passés par là. Parce que c'est là qu'il y a eu aussi le dernier Doudal, c'est-à-dire euh, le lieu d'apprentissage à la parole ici. C'est là que le dernier même s'est passé, dans cette zone-là. Et donc plus tard, plus je découvre tout cela, et euh, je me dis, waouh, il y a quelque chose de chez moi dont je ne peux pas me départir. C'est, c'est pas possible. Donc la parole a régné chez moi et dans ce village-là. Et moi, je dois m'intéresser à cette parole et porter cette parole plus loin. La parole de ses aînés, de ses pères, même si euh, je ne fais pas partie donc, euh, de ces griots. Euh, pour moi, parce que ces griots sont passés chez moi, donc dans ce village-là où le père de Djeliba est passé, où Djeliba est passé, où Jado est passé pour son doudal, je dois pouvoir porter la parole naît dans cet endroit. Et, évidemment, partager cette parole avec tout le monde. Griot moderne. Parlons de griot moderne. Qu'est-ce que tu entends par griot moderne Parce que je donne t'appelle Jonel. Entre parenthèses, griot moderne. Exactement. Ce que j'entends par là, parce qu'on ne devient pas griot, on est griot. C'est-à-dire que le griot, euh, on ne se lève pas comme ça un matin et dire je suis tout un. Tout le monde n'est pas griot. Exactement, tout le monde n'est pas griot. On est griot. Donc quand on n'est pas griot, on ne peut pas devenir griot. Mais comme moi, je suis attaché à cette parole des griots qui est en train de s'éteindre, à ces griots généalogistes qu'on n'a plus aujourd'hui au Niger, je me dis non, je dois prendre cette place-là, que les griots l'acceptent ou pas, même si on ne va pas m'appeler griot parce que je ne suis pas né griot, je peux ajouter juste le moderne et je deviens un griot moderne. Jonel, nous sommes à la fin de la première partie, une partie consacrée à la jeunesse nigérienne et nous osons espérer que cette jeunesse qui suit cette émission depuis donc les 52 radios partenaires de Studio Kalandou ont cerné l'artiste Jonel sur l'émission Tout ça Fada. Jonel, a-t-il un mot, un message à l'endroit de la jeunesse nigérienne Parce que ta mission aussi, c'est d'éveiller des consciences, c'est de sensibiliser, de distraire, de ramener cette jeunesse aussi à rester ou à être authentique. Le message de l'artiste compte sur cette émission. L'instant est solennel. Jonel, tu regardes la caméra ici, je te tends le micro. D'accord. Une minute. Alors, ce que j'ai à dire à euh, la jeunesse nigérienne et voire plus loin la jeunesse africaine, c'est d'être digne la dignité, la dignité, nos pères l'ont chanté pendant longtemps. L'intégrité, nos pères l'ont euh, chantée chanté également pendant des années. Je pense qu'il faut être digne et solide pour avoir les pieds sur terre et faire face à, ce monde-là. Parce que on ne peut apporter un changement si on n'est pas digne, on n'est pas intègre et qu'on n'est pas sûr d'avoir ses pieds sur terre. Sinon, on se laisse facilement aller dans la facilité. Donc, la corruption, euh, tout ce qui est facilité, parce qu'on va plus vite qu'il le faut. Et donc, on se laisse euh, facilement corrompre pas que l'esprit, mais même jusqu'à la parole. Parce que la dignité et la fidélité, c'est d'abord sa parole donnée, comme on dit. C'est pour ça qu'on essaye aussi de reprendre ces guerriers-là, parce que la parole d'un homme, donc quand je parle homme avec grand H, d'un homme doit être une parole solide, une parole à laquelle... Euh, on, reconnaît une personne. Quand tu donnes ta parole, tu donnes ta parole tu assumes, tu vas jusqu'au bout. Et donc c'est de tout ça dont on a besoin aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on ramène aussi l'histoire et tout ça pour intéresser les jeunes. J'espère que le message n'est pas rentré dans l'oreille du sourd. Ainsi parle le griot moderne, l'artiste Dionel, qui vous donne rendez-vous demain dimanche sur le studio Kalangu. L'artiste s'exprimera un acte de hey.